le forum du studio studio 18 passées de 15 minutes. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rester fidèles. Merci de rester fidèles au programme du studio Kalangou. Au micro Alassane Kouzi Mamadou, tout le plaisir pour moi de vous retrouver dans cette nouvelle édition du forum du studio Kalangou. Dans le forum de ce soir, nous allons largement parler de migration et nous ferons parler des migrants. Des témoignages des derniers migrants refoulés d'Algérie à suivre dans ce forum. Toujours sur ces questions de la migration, hier nous en avons parlé, un scientifique sur la thématique migration, mobilité et développement se tient au LASDEL. Ce soir, vous entendrez quelques, chercheurs africains et européens s'exprimer sur des thématiques variées et relatives à la migration. Nous irons aussi à Agadez où se tient également un colloque depuis hier, toujours et encore sur la problématique de la migration. Bonsoir à tous. Je le disais, ce forum sera largement consacré à la migration. Tout de suite, sans tarder, nous allons d'abord écouter quelques migrants de nationalités différentes qui font partie de la dernière vague des expulsés d'Algérie et qui sont acheminés au Niger dans des camions via Gadez. Quelques-uns d'entre eux sont arrivés à Niamey et ne savent pas à quel sens se vouer. Adama Dawaki était parti ce matin à la rencontre. Voici les témoignages que ces derniers lui qui livrent par rapport à la situation qu'ils ont vécue d'Algérie au Niger. Nous les écoutons. Je me nomme Mawali Keita, j'ai 25 ans. Je suis ingénieur géologue, professeur académique. J'ai quitté juste à peine 24 ans le pays d'origine. Je viens de l'Algérie. Ah, j'étais parti m'aventurer un peu. Maintenant, j'ai été expulsé et je me trouve présentement à Niamey. J'ai quitté le pays dans le but d'avoir une opportunité d'emploi un peu plus fructuable que la nôtre. Par conséquent, je me suis rendu en Algérie. J'avais l'impression d'avoir une vie un peu plus meilleure que la nôtre en partant vers l'Algérie. Et c'est après l'expulsion maintenant qu'aujourd'hui, je me retrouve à Niamey et je me trouve dans une autre vie qui est différente des deux autres. Parce que nous sommes venus sans rien en main. Donc quand même, ce qui reste clair, on a été accueillis à bras ouverts, malgré qu'on n'a reçu aucun autre apport mais on a la paix du cœur quand même. C'est la terre natale qui nous manque encore. On souhaite revenir pour retrouver la famille en place, comme on l'a lié par la grâce de Dieu. C'est mes parents qui me manquent beaucoup. Cette histoire, elle est triste, dans la mesure où on s'est aventuré, la vie a été difficile, à l'aventure, on s'attend à beaucoup d'autres choses, et nous, on s'attendait à un bonheur. Malheureusement, vers la fin, ça s'est transformé en malheur parce que si vous renversez A, ça devient V et V c'est la violence. Donc vous voyez, on s'est vu dans une vie un peu violente, agressive, sans droit de l'homme ni droit humain. Donc euh, tous les maux dont vous pensez, on l'en a subi. Mais par la grâce de Dieu, on s'est en sorti parce qu'on n'est pas mort et d'autres ont péri. On faisait les travaux de chantier parce que dans ce pays, quelle que soit ta compétence scientifique, si tu n'es pas de là-bas, j'ai passé par certains tests où j'ai réussi, mais vers la fin, ils m'ont dit que je ne suis pas algérien. Par conséquent, je n'ai pas pu travailler. Donc, j'étais obligé de me lancer maintenant dans ces activités parce que l'Algérie, c'est un pays où la banque ne fait pas de transactions d'argent pour l'extérieur. Donc, j'étais obligé de faire ces travaux de chantier pour m'en sortir mieux. Les travaux de coffrage, les travaux de maçonnerie, les travaux de peinture, tout ceci. Bon, présentement, ce n'est qu'une stupéfaction pour moi. C'est un étonnement sans réaction parce que la mesure où ce que tu cherches à avoir, tu l'as pas eu. Bon, une histoire triste aussi dans ta vie, donc euh, vraiment ça fait mal. Ça a été une occasion pour moi de découvrir le Niger, donc je garde euh, d'énormes souvenirs avec ceci. On a fait l'université ensemble en Guinée. Ces ingénieurs doivent être là, mais malheureusement, comme on nous a dépouillé de tout, je ne pouvais pas avoir leur contact. Et par la grâce de Dieu, ça m'a permis aussi de découvrir leur coin. Donc je suis maintenant ce qui se passe au Niger encore. On ne va pas oublier l'hospitalité légendaire qu'ils ont eu à nous faire. Mais ce qui reste clair, nous sommes là encore, tout n'est pas fini. Donc quand même, c'est un coup de main qu'ils ont eu à nous donner parce qu'ils nous ont redonné de l'espoir qu'on a quitté de l'autre coin pour mon pays d'origine. Mais c'est d'apporter mes expertises, la compétence scientifique que j'ai eu à apprendre, ainsi que le peu que j'ai pu voir de l'autre côté. Là-bas, vous savez, ces gens-là, il faut que l'on soit un peu clair. Présentement, il y a une organisation mieux que la nôtre, que ces pays sud Donc, ils nous ont dépassés dans ces jours-ci. Donc, par conséquent, il faut penser à ces progrès pour pouvoir mettre en œuvre chez nous. Bon, un exemple plus concret, ça peut être le respect de la loi, le respect des autorités, y compris les hommes en uniforme, qui sont respectés par toute la population. Donc, euh, et la loi aussi reste la loi. Elle est dure, mais la loi. À travers l'évolution de la technologie, je me permets de communiquer avec eux sur l'Internet et quelquefois par des appels téléphoniques. C'est sur ces bases-là que l'on communique. Ah oui, étant en Algérie, bien sûr, parce que dans la mesure où on a un téléphone qui nous permet de se connecter, on achète des puces en même temps des, forfaits Internet, des tarifs Internet, on se connecte avec ça. Au Niger ici, quand je suis venu, je n'ai pas une puce encore, mais heureusement là où on était logé, il y avait un wifi. Le monsieur a mis son wifi à notre disposition. Donc avec ça, les parents ont su mes nouvelles, que tout va bien encore. Tous les pays ne sont pas les mêmes, les terres d'accueil sont différentes. Bon, il y a la façon de faire l'aventure aussi. Je crois que ce n'est pas mauvais aussi, parce que ça nous permet d'apprendre autre chose qu'on n'a pas vu en classe. Papis Bacha, je suis sénégalais. J'ai 25 ans là. La difficulté qu'on a eue, c'est imparlable. J'ai quitté ici jusqu'à Cadès. À aussi, là, il n'y a rien du tout. Les, les vendent les personnes, on dirait que c'est l'esclavage. On a passé par le désert. Le désert, on a fait là-bas 8 jours dans le désert. Il y a des gens qui tombent, meurent là-bas. Mais on a vu des morts sur la route. Il y a leur voiture qui est tombée en panne. Ça fait 3 jours, on les a trouvés là-bas. Ils sont morts de faim et ils ont morts de soif aussi. On a sauvé certaines personnes. J'étais au nombre de 24. Presque tous les 13 personnes sont mortes. On les a trouvés comme ça. C'est nous-mêmes qui les avons enterrés là-bas dans le désert. Il y a des Nigériens il y a des Maliens là-bas, il y a des Sénégalais. Surtout, c'est les Nigériens qui sont plus nombreux. On est parti à Saba. Saba, c'est à l'entrée de Libye, première ville. On vous fait entrer directement en prison comme ça. Or que vous, vous avez déjà payé ici jusqu'à Tripoli. On avait des pièces avec nous. Là-bas, on compte pas des pièces. Si tu as pièces ou pas, on te fait entrer directement en prison. Eux ne savent pas savoir celui-là, il est sénégalais ou bien il est malien. Eux ne savent pas savoir ça. On a quitté de Sabah pour aller à Tripoli. On a fait presque un mois, trois jours. Or qu'il y a certaines qui font deux ou trois jours arriver à Saba. Avant d'arriver à Benoali, il y a un village, on dit là-bas Suarez. Suarez, c'est entre Saba et Benoali. Là-bas, on passe la nuit comme ça dans l'air libre comme ça, dans le désert comme ça. On n'a pas l'eau, on n'a rien à manger. Maintenant, entrer à Tripoli, c'est là-bas le plus pur. On vous prend, on vous met dans les voitures là, on vous met des bases en haut pour vous cacher quoi, pour que les policiers ne vous voient pas. Oui. On est entré à Tripoli, on est resté là-bas. Maintenant, on m'a amené au bord du fleuve. Premier jour du Tabaski, ils ont poussé certains, pour eux, ils ont entré en Italie. Deuxième jour de la Tabaski, ils ont poussé, eux, ils sont entrés. Mais troisième jour, nous, notre coxeur, presque, il nous a vendu. Parce que lorsqu'on a fait descendre la pirogue euh, dans l'eau, on a vu une jeune lumière devant nous. Soit disant qu'on a demandé, lumière là, c'est quoi Il a dit non, c'est des pêcheurs. Alors que c'est des marines qui sont là-bas devant nous. Maintenant, lorsqu'on partait, on nous a pris sur le mer, on nous a mis directement en prison. Les marines nous a mis en rapport avec des policiers. On nous a enfermés en prison. Je n'ai rien fait comme du métier. Parce que je n'ose pas sortir. On a trouvé là-bas des anciens qui ont fait là-bas des années et des années. Mais quand ils sortent, les Arabes les appellent. Quand tu viens on ne sert même pas à savoir. On te demande l'argent. Si tu n'as pas l'argent, on te met directement dans leur voiture. On part enfermé. Moi, j'ai quitté Tripoli pour rentrer chez moi au Sénégal maintenant. Parce que j'ai deux de mes frères qui sont décédés dans le mer comme ça. Ça ne fait même pas un mois dimanche. Après, j'ai fait l'appel à mon parent. Je lui ai dit, à là, j'ai perdu deux de mes frères. Il a dit, en Je lui ai dit, il a dit, non, c'est pas vrai. Il m'a dit, maintenant, ne peut pas payer pour aller. Il faut retourner. Je voulais rentrer au Sénégal. J'ai Avec mes amis, mes frères, ils sont là. On est très fatigués. Non, à là, je ne compte pas aller quelque part. Je compte rentrer chez moi aller voir mes parents. Mon pays me manque trop. Parce que non seulement je croyais que le Sénégal n'avait rien, mais à l'heure là, je sais bien que maintenant le Sénégal est plus que beaucoup de pays que j'ai rencontrés sur la rue. Parce que non seulement nous, lorsqu'on on, entrait Mali presque, c'est comme Sénégal, parce que là-bas on, nous a pas fatigués. Mais à, Burkina, on te dit si tu es Sénégalais ou pas, tu passes où Tu payes 15 000 ou 10 000. C'est comme ça. Tandis que mais si tu as ton pièce, au moins tu peux payer 1000 francs ou 500. Mais eux, ils demandent plus de 10 000. Entrer jusqu'à ici au Niger, c'est le même cas. Je me nomme Abdoulaye Kake, nationalité guinéenne. J'ai 29 J'étais Je pas dans une situation très très améliorée. Là où je me débrouillais, quand le gouvernement était en place, j'étais en train de casser pour des petits baraques qui étaient à côté des routes, là où on se débrouillait pour charger des téléphones, ainsi de suite. Donc pour faire la route, ils ont cassé tout ceci. C'est ce qui m'avait obligé de quitter le pays. Étant à cet âge, jusqu'à présent, nous n'avons pas eu l'occasion même de se marier parce qu'il n'y a pas les moyens pour se débrouiller. Il y a mes frères qui ont étudié, n'ont pas d'emploi. J'étais obligé de quitter l'école aussi. Quand J'étais en train d'étudier, donc je voulais intégrer l'armée à peu près trois fois. Ben, je n'ai pas eu la sens, Ben, je suis quitté aussi pour l'Algérie. Comme il y avait beaucoup de mes frères qui étaient là-bas, je vais dire déjà mes frères qui me disaient qu'ils se débrouillaient un peu, peut-être qu'on pourra débuter des petits projets. Donc c'est pourquoi je suis quitté. Mais depuis que je suis quitté, D'abord, ce qui est dit ici, CDAO, nos droits ne sont pas respectés. Au cours de la route, quand tu as une carte guinéenne, on ne le considère pas, tu le montres ou pas, tu es obligé de donner de l'argent. Si tu n'en as pas, tu dis que tu n'en as pas, on te fouille. Quoi que ce soit qui est sur toi, on le prend. Donc rien n'est respecté sur la route. Ce qui nous a été dit à l'école, c'est dire que cette organisation est une des grandes organisations dans le monde. Je suis quitté de la Guinée pour Bamako, de Ouaga, Niamey, pour partir à Arlit, Arlit et puis continuer sur le désert pour partir en Algérie ça m'a pris à peu près euh, deux semaines. Parce que sur la route, quand tu payes pas l'argent, quand tu dis tu n'en as pas, donc on te fait descendre, on te fouille ici, tu n'en as pas, on te garde là-bas deux fois, tu fais trois jours. Une autre véhicule vient, maintenant on te fait remonter dans ça aussi. Après, ainsi de suite, c'est comme ça jusqu'à arriver là-bas. La famille et le pays me manquent bien sûr, oui. La famille me manque, surtout maman que j'aime beaucoup. Je ne compte pas y aller, mais tout dépend de la situation. Donc, quand j'arrive dans mon pays, peut-être si j'ai gagne une opportunité là où je peux me débrouiller, je ne compte plus m'aventurer. En Algérie, le taux de racisme est très très élevé. Dans le même bus, on ne s'assoit pas à côté de toi, on te traite tout dur de nègre. Ça m'a donné une leçon vraiment que je n'oublierai jamais. Et quand je vois aussi un ami qui veut aller là-bas, peut-être je le dirai mon mieux, qu'il écoute ou non. Oui. Quand les Algériens nous ont remis à l'autorité nigérienne, nous sommes venus jusqu'à Agadez. Pour nous, c'était le même trajet que le Niger aussi allait nous remporter au niveau du Mali ou au Burkina. Mais arrivé là-bas, ils nous ont enfermés. Nous étions à peu près 1000 personnes. Nous étions gardés, je ne sais pas, comme des criminels. Nous ne sommes que des, immigrés. Ils nous gardent avec des armes. Là où on s'y, c'est là-bas où on mange, c'est là-bas où on chocou. Si vous avez un correspondant à Gades, appelez-le, dites-le d'aller voir là où les immigrés. Nous sommes même enclavés. C'est même difficile d'aller là-bas. Allez-y voir dans quel contexte nous étions. Nous, on était obligés de fuir, laisser nos bagages, tout ce qu'on avait sur nous, qu'on puisse s'échapper et appeler la famille pour nous amener quelque chose pour qu'on euh, puisse venir dernièrement ici dans les camions, ils nous ont amenés jusqu'à Agadez. Pour moi, pour refouler des gens, il faut être prêt dans ces conditions, donner des camions pour les refouler directement dans leur pays. Moi, j'ai été en prison là-bas cinq jours. C'est très très difficile de s'aventurer. J'aimerais dire aux autres aussi, celui qui a un petit moyen, qui se débrouille ce soir, de faire tout son mieux pour rester. C'est plus mieux ce soir, voilà. Je cherche maintenant un petit moyen comment rester dans mon pays. Je préfère cela qu'à l'aventure, que ce soit en Europe ou en Afrique. Vous venez là de suivre des témoignages touchants de quelques migrants. D'aucuns viennent directement d'Algérie et vous, avez, vous avez dû remarquer que le Sénégalais, lui, euh, a passé plutôt par la Libye. Hier, nous l'annoncions dans notre édition d'histoire qu'un atelier de recherche de quatre jours s'est ouvert au laboratoire d'études et de recherche sur les dynamiques sociales et le développement local, l'ASDEL. L'atelier porte sur les questions de migration, de mobilité et de développement en Afrique. Il s'agit du MIGDEVRI, Migration, Développement et Intégration Régionale, qui est un programme du LASDEL. Des chercheurs venus de pays comme le Bénin, le Sénégal, le Nigeria, le Danemark, la France, entre autres. Le programme MIG est soutenu par la coopération suisse. Madame Savoy Do Diopé, en I7, chargée de programme global migration et développement en Afrique de l'Ouest du Bureau de la coopération suisse, nous parle de l'objectif visé à travers cet atelier scientifique. Nous avons soutenu une initiative du LASDEL, qui est un laboratoire de recherche, qui a pris l'initiative de réunir des chercheurs autour de la thématique migration, mais avec un focus sur les réalités de la région Afrique de l'Ouest. Ça ne veut pas dire que la, les, ces ateliers de recherche sont limités à des chercheurs de la région, non. C'est ouvert à des chercheurs de par le monde, euh, mais beaucoup plus avec un intérêt sur euh, les questions de migration, de mobilité en Afrique de l'Ouest, mais en lien avec le développement. C'est le nexus. Euh, parce que si c'est la migration, oui, beaucoup en parlent, mais plus souvent de façon les facettes négatives de la migration, c'est ça qu'on dit. Alors que euh, euh, on constate que dans la région Afrique de l'Ouest, le plus grand, le plus gros lot des mouvements euh, se font dans la région, sont intra régionales, même à l'intérieur de l'Afrique, ce n'est qu'une infime partie qui va vers le reste du monde, euh, notamment l'Europe. Donc euh, nous, nous pensons qu'il y a grand intérêt à se pencher sur ces mouvements dans la région et voir comment les choses se passent, comment ça évolue et anticiper un peu sur euh, l'avenir. Par exemple, euh, de tout temps. Hein. la question de mobilité, c'est traditionnel, ça fait partie de la vie des populations de l'Afrique de l'Ouest, par exemple. Et on constate que les gens quittent les régions du Sahel vers le littoral, par exemple en période de saison sèche, pour aller mener des activités, etc., où c'est le long du littoral, vous voyez tout le mouvement d'Abidjan à Lagos. Comment nous réfléchissons sur ces mouvements avec euh, les nouveaux paramètres comme le changement climatique et beaucoup d'autres choses qui vont induire des dynamiques qu'on ne maîtrise pas. Donc il est important qu'on réfléchisse à tout ça pour voir comment on se prépare à accueillir ces grands mouvements de, de population. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner juste quelques exemples de facettes positives de cette euh, migration intra-africaine dont vous parlez Parce que vous dites que certaines personnes euh, ont tendance seulement à, montrer cette facette négative quelques exemples de, facettes positives de cette migration qui se passe euh, au sein des frontières de l'Afrique. Oui, merci beaucoup. D'abord, vous savez, le mouvement naturel si vous mettez un enfant au monde au bout de quelques mois, si l'enfant ne bouge pas, vous vous posez des questions. Je dirais même c'est inhérent à tout être vivant. Alors, donc c'est aussi partie, ça fait partie de nos, de nos réalités. Quand je prends par exemple la zone transfrontalière, Manaville, Gaïa, euh, à la frontière de Bénin-Niger Nigeria, vous voyez des populations qui sont dans leur quotidien, ils, ne comprennent pas quand vous parlez de migration. Donc pour ces personnes sont simplement en mouvement. Ils ont une partie de leur famille derrière le fleuve. Voilà, c'est des réalités comme ça, avec beaucoup d'enjeux économiques autour. Et donc il s'agira de voir comment les États se mettent ensemble pour euh, mettre en place euh, des infrastructures et un certain nombre de choses pour faciliter ces genre de mouvement, pour que les populations puissent en tirer profit et que les États même qui sont concernés eh, puissent en tirer profit. Est-ce que euh, ce que vous voulez faire ressortir, c'est de pouvoir promouvoir cette migration au sein de l'Afrique et pour montrer que c'est une alternative à cette migration vers les pays du Nord, vers l'Europe Est-ce qu'on va parler de promotion non, on va accompagner. Il n'y a rien à promouvoir. Cela va de soi. Mais on, on va accompagner. Accompagner, c'est réfléchir, c'est observer, c'est analyser comment les choses se passent, comment ça évolue et pour se préparer, et anticiper sur un certain nombre de choses. Donc il n'y a rien à promouvoir, mais il y a juste à accompagner. Et je n'ai parlé pas d'alternative, j'ai dit le plus grand, c'est à l'intérieur de la région. Donc Quelques obstacles souvent à cette migration qui se passe au sein de l'Afrique. On a vu euh, tout récemment les refoulements de migrants, une vague euh, de, vagues de migrants refoulés de l'Algérie vers le Niger. Comment est-ce que vous apercevez cette situation C'est des choses qu'on ne peut pas arrêter. On aura beau refouler, on ne peut pas arrêter arrêter le mouvement des hommes. Quelqu'un a tout chez lui, mais a envie simplement de, de voir autre chose. Donc pour 10 000 raisons, les gens vont bouger. Donc il vaut mieux qu'on réfléchisse à comment on accompagne ces mouvements mais on ne peut pas réprimer, on ne peut pas arrêter, on peut peut-être même pas promouvoir, mais nous, nous pensons qu'il faut accompagner. C'était là Madame Savoy Dodiopé Nicette, chargée du programme global Migration et Développement en Afrique de l'Ouest du Bureau de la coopération suisse euh, au Bénin. Nous parlait donc de l'objectif visé à travers euh, l'atelier qui a lieu actuellement et qui se poursuit au niveau du LASDEL. Cette question des migrations est souvent perçue différemment, d'aucuns la conçoivent sous l'angle négatif et d'autres sous l'angle positif. Mais pour Dr Elliot Eyebi, coordinateur du programme MIG d'Evry, en tant que chercheur, il est risqué de trancher cette question de manière affirmative. Alors, en tant que chercheur, il y a quelque chose de fondamental qu'il faut dire, c'est que les migrations ne sont pas positives ou ne sont pas négatives. On ne tranche pas la question de cette façon-là en recherche. Dans la recherche, on examine en quoi des phénomènes migratoires peuvent être porteurs donc de, de grains de positivité ou en quoi ils pourraient constituer des risques ou des menaces. Cela signifie que tout phénomène migratoire a, a évidemment des aspects complètement positifs comme peut avoir des aspects négatifs parce que ne l'oubliez pas, le déplacement est constitutif de la vie humaine. La mobilité est l'un des principes d'essence de l'être humain. Donc il n'existe pas d'être humain qui ne soit pas mobile ou qui n'ait pas été migrant d'une certaine manière dans sa vie. Et quand vous analysez l'histoire, vous voyez comment est-ce que l'espèce humaine a colonisé la planète. Donc les hommes sont apparus, dit-on, quelque part, et ensuite ont essaimé, ça, voilà, ça c'est très connu. Et oui, pour répondre maintenant de façon très directe à votre question, il y a plusieurs travaux de recherche qui montrent les points positifs des, points positifs des migrations, que ces migrations soient internes ou qu'elles soient externes. Il y, a des, il aussi des travaux qui parfois peuvent montrer donc un certain nombre de risques. Et généralement, ces risques sont mesurés souvent d'un point de vue donc des pays d'accueil lorsque ces pays-là mettent en avant des préoccupations de sécurité plutôt que de voir l'apport de ces personnes migrantes. Dr Elliot Yebi, sociologue et coordinateur du programme MIGDEVRI Migration, Développement et Intégration Régionale. Et puis dans la série de communications faites lors de cet atelier, lors de cet atelier figure une thématique. Cette dernière porte sur les liens et les lieux de la migration en se basant sur des exemples de migrants sénégalais qui partent pour l'Espagne. Le ressort de cette communication est une redevabilité des migrants vis-à-vis de leur famille. Nous avons échangé avec l'auteur de cette communication, la personne de Marem Nyang, docteur en géographie et chercheur associé au laboratoire ARDEV de l'Université de Montpellier 3. Bon, lien et lieu de la migration, à travers ces propos, j'essaie de voir, euh, de décortiquer le fameux concept sur la famille transnationale, c'est-à-dire euh, comment la migration, maintenant qui est caractérisée par une complexification des flux, par euh, des trajectoires de plus en plus complexes, par des profils diversifiés, mais également par, par, des, rythmes et des intensités qui, qui sont de plus en plus... Euh, qui augmente de plus en plus, également euh, par un, caractérisé par un rajeunissement, mais également une féminisation croissante. Comment ce fait migratoire-là recompose la famille actuellement, la famille d'aujourd'hui et euh, le fameux concept de transnational, de famille transnationale, euh, renvoie à l'idée que la famille est certes éparpillée et certes disséminée à travers les frontières, mais continue quand même de maintenir ce lien à travers ce qu'on appelle le système des soins, c'est-à-dire les visites, les échanges qui participent au maintien des liens. Voilà. Alors, vous parlez de féminisation de, la migration. Qu'est-ce que vous voulez Est-ce que vous voulez dire que de plus en plus euh, les migrants, euh, ce sont des femmes qui migrent Oui, exactement, parce que depuis les années 90, euh, voilà, on observe que les femmes partent. Donc le premier phénomène, c'est les femmes partaient par, euh, par regroupement familial, par voie de regroupement familial, mais de plus en plus, ce qui est intéressant, c'est de voir que des femmes seules partent, mariées ou pas, veuves, euh, voilà, de, de toute catégorie socioprofessionnelle, partent migrer de leur propre gré. Et voilà, donc la migration s'est féminisée, euh, voilà, et les femmes de plus en plus prennent cette voie pour aller aussi tenter leur chance à l'image des hommes. Voilà. Alors, on avait vu que dans votre présentation, vous avez situé le migrant. Le migrant euh, se trouve dans un dilemme. D'une part, il a un dilemme de, là où il quitte, de sa famille, et il a un dilemme aussi quand il va euh, dans le pays d'accueil. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus par rapport au dilemme euh, dans lequel se trouvent le plus souvent les migrants Oui, exactement. Dans la migration, met l'individu, le, migrant, dans une situation de dilemme, dans la mesure où, d'une part, à partir de la société d'origine de regard, le migrant ne doit pas décevoir. Et quelles que soient les conditions dans lesquelles il est parti, et quel que soit le, contexte qui, l'attend, le contexte d'arrivée euh, chez les Sénégalais qui résident en Espagne, le contexte d'arrivée est souvent soumis à des contraintes, que ce soit par le durcissement des conditions et des politiques migratoires, que ce soit aussi par l'accessibilité sur le marché du travail, qui s'est complexifié et durci surtout avec la crise de 2008. Donc le, le migrant est dans un dilemme aussi bien euh, du côté du contexte d'accueil que du côté du contexte d'origine. Donc c'est ce dilemme-là que le migrant essaiera de relever euh, via des négociations permanentes pour essayer de trouver sa voie. Ce migrant est considéré par sa famille comme un envoyé. Cet envoyé, souvent une fois arrivé, il peut euh, décevoir ou, il, peut, peut échouer et souvent il est compris et dans certains cas non compris. Oui, euh, c'est un projet de vie. Donc euh, un projet de vie ou mort, comme disait un des migrants, parce que soit tu réussis, soit tu, tu échoues. Donc, dans les cas de réussite, la migration est bien vue, euh, c'est reste une aubaine pour la famille, mais dans des cas de d'échec, de, euh, voilà, c'est toute la chaîne qui le conçoit, toute la chaîne qui le ressente, et c'est ça le, le risque migratoire, il est toujours là, et euh, il faut pas qu'on oublie que voilà, quelle que soit la mission, il y a échec ou réussite, et ça, le la plupart du temps, les familles ne le prennent pas en compte, et c'est un facteur important, et en même temps, c'est comme une épée de Damoclès pour tout migrant. Parlez-nous en dernière euh, d'une de, des figures que vous avez euh, exposées lors de votre communication, notamment cette femme qui euh, au départ qui divorçait, qui, qui avait trois enfants, qui est partie, en Espagne. Parlez-nous, résumez-nous cette trajectoire migratoire. Bon, euh, la trajectoire d'une femme que j'appelle Ndai Oumi, donc qu'est-ce qui s'est passé avec elle Donc, comme tu vous l'avais si bien dit, au début, euh, elle est partie en Europe pour une première fois en, en, par voie de regroupement familial. Après, suite à un divorce, elle est revenue au pays d'origine. Donc, quand elle est revenue, elle a préféré immigrer en Espagne, rejoindre sa sœur. Donc, quand elle est allée là-bas, donc les conditions de travail n'étaient pas réunies, elle n'arrivait pas à trouver du travail. Donc, elle est rentrée en encore euh, chez sa famille. Donc quand elle est rentrée, elle s'est mariée. Donc avant, il faut savoir qu'elle avait déjà euh, contracté un mariage, comme je l'ai dit tantôt, elle, elle, avait déjà trois enfants. Donc là, elle, s'est remariée avec quelqu'un d'autre. Donc ces euh, ses situations familiales ne s'améliorant pas avec son nouveau conjoint, donc elle a préféré repartir en Espagne. Donc quand elle est repartie, elle a laissé à nouveau ses trois enfants à sa mère et euh, voilà, elle est partie euh, rejoindre sa sœur. Après, elle a trouvé du travail. Donc le dilemme où elle se trouve, c'est qu'elle doit envoyer la moitié de son salaire au Sénégal et en même temps, euh, elle doit aussi s'occuper de son mari. Donc l'histoire de Oumi, ce qu'elle nous révèle, c'est deux paradoxes dans la société. Le paradoxe de gardienne de foyer, parce qu'elle continue de le faire, mais en même temps, il y a un autre paradoxe, elle assure la reproduction de la famille euh, euh, qui, a été longtemps attribuée culturellement à l'homme. Donc le deuxième paradoxe, c'est être mère et épouse. Mère, donc elle est mère, elle s'occupe de ses enfants, donc culturellement c'est accepté parce qu'on la voit comme une héroïne qui est partie se sacrifier pour le bien de ses enfants. Mais d'autre part, dans dans l'autre côté, c'est-à-dire le fait d'être épouse qui part, donc devient une situation contre nature au Sénégal. Et le fameux phénomène des Marie Bataire est révélateur d'un certain rejet de ce statut de femme au Sénégal. Donc, on est dans un dilemme constant, encore une fois, et les cas de figure nous montrent que la, migration est loin d'être euh, quelque chose de facile et de fluide. Vous venez d'écouter Marem Nian, docteur en géographie et chercheur associé au laboratoire Ardev de l'Université de Montpellier et participante à cet atelier qui a lieu au LASDEL. Autre présentation qui porte cette fois-ci sur la migration entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, deux pays voisins. Cette présentation met l'accent sur le caractère féminin et jeune que prend la migration. Les mésaventures des serveuses de bar aussi sont abordées. Zongo Ibrahim, Zongo docteur en sociologie à l'université Ouaga professeur Joseph Kizerbo, nous résume la quintessence de sa communication. Ce qui m'a intéressé au départ dans cette réflexion, c'est de voir sur le point de vue scientifique, on peut renverser, non pas renverser, on peut regarder la migration de notre angle. Sans partir tous les jours de, de population burkinabé vers la Côte d'Ivoire, mais regarder aussi qu'il y a une population, une importante population qui arrive au Burkina Faso et qui constitue un mouvement migratoire important qu'on constate ces dernières années. Donc l'objectif étant de euh, comprendre la possibilité de renverser cette perspectives et de l'analyser. Euh, je suis allé de l'observation de cette migration pour me rendre compte qu'il s'agit d'une migration de jeunes, de jeunes qui sont majoritairement féminins et qui arrivent au Burkina Faso dans un contexte où la Côte d'Ivoire était en crise. Donc on peut soupçonner qu'en temps de crise, la plupart des gens qui vont en migration sont aussi les jeunes et les femmes. Et quand ils arrivent au Burkina, on retrouve à l'intérieur, euh, dans cette population ivoirienne, des, étudiants, des, diplomates, des fonctionnaires, des travailleurs d'ONG, etc. Mais aussi, surtout, cette, cette euh, grosse partie de la population immigrante qui travaille dans ce qu'on appelle l'industrie du loisir. Donc, toutes les activités autour des bars de nuit, et de la restauration, où les Ivoiriens exportent avec eux les compétences qu'ils ont, les compétences et leur culture pour imposer un style d'action au niveau des bars, parce que ce style va permettre euh, de favoriser l'attrait de ces bars, de fidéliser une clientèle et de permettre aux bars de nuit de fonctionner et de survivre et de faire des chiffres d'affaires importants. Et on avait vu que vous, vous, avez évoqué des cas de, violation de, droits humains. Dites-nous qu'est-ce que vous fustigez le plus. En regardant la, migration ivoirienne, je me suis confronté très tôt à l'ensemble des pratiques autour de cette migration. D'abord, il y a la question des réseaux, hmm, donc la filière de, de recrutement et de placement de ces jeunes. Mais au niveau local, quand euh, les, les, uns et les autres travaillent comme barman, donc c'est-à-dire comme DJ, comme manager, comme euh, serveur, comme cuisinier, euh, leur travail est soumis à un système de précarité. Ça veut dire quoi Que euh, pour peu qu'il y ait un écart entre le l'opérateur, donc l'entrepreneur ou bien le patron du bar et, son employé, il peut être immédiatement renvoyé sans, sans préavis. Euh, l'une des questions de droits fondamentaux auxquelles sont confrontées surtout les filles, c'est qu'elles sont entassées presque dans des dans des maisons exiguës à plusieurs et donc ça pose une question de, droit à la, santé, à, un espace sain. donc la question de la promiscuité va poser des problèmes euh, euh, de santé. La question des bars même pose un problème de droit important. Euh, par rapport toujours à ces filles qui servent dans les, dans les bars, vous avez aussi évoqué le fait que certaines d'entre elles, euh, ou toutes, sont souvent soumises à, s'adonner, euh, à, offrir un service complet, comme ce entre griffes, c'est le terme qui est souvent utilisé, quand elle doit euh, servir et puis euh, rester, s'offrir aux, client. clients. Oui, dans l'imaginaire, quand on observe la société, dans l'imaginaire des, consommateurs, donc des clients, la fille devrait la devrait offrir un service complet. On ne peut pas être catégorique pour dire que toutes les filles euh, ça donne à, des, rapports sexuels euh, monnayés, donc à de la prostitution. Mais une bonne partie des filles sont soit obligées ou se retrouvent en train de le faire euh, par simple opportunité ou bien par simple concours de circonstances. mais globalement, on observe qu'entre le service dans le bar et la fin de l'activité, il peut y avoir des moments où les filles euh, ça donne à ce genre d'activité euh, parce que ça fait partie des besoins, ça peut être des exigences du consommateur. Zongo Brahima, docteur en sociologie à l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo, qui a fait la communication sur la migration qui se passe entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Étaient également présents à cet atelier les, représentations, les représentants d'associations et d'organisations de défense des droits de l'homme telles que la CNDH, la Commission nationale euh, des droits de l'homme. Nous nous sommes entretenus avec euh, Kondo Adamo, directeur central chargé de promotion de droits civils et politiques à la CNDH, sur quelques actions de la CNDH et sur le cas de violation et sur les cas de violation des droits de migrants, des droits qui relèvent des droits humains. Suivez c'est uniquement pour effectivement nous rendre compte de ce que nous, on nous disait sur les migrations que nous avons fait un périple dans la région d'Agadez. Euh, effectivement, juridiquement parlant, ce que euh, nous avons trouvé, c'est blessant. Considérant les instruments internationaux, ou même, euh, disons, régionaux, malheureusement, parce que sinon la mobilité des migrants dans la CDAO ne devrait pas causer problème. Qu'est-ce que vous avez vu qui est blessant, vous pouvez nous dire Voilà, ça, parce qu'on a même interviewé des gens qui vraiment, c'est-à-dire de le lieu de, de départ, on a parce qu'on a questionné des Gambiens, des Sénégalais, des Maliens, tous ces gens-là, euh, de leur lieu de départ, comme au départ c'est dans les camions qu'ils viennent, tous les territoires qu'ils qu euh, traversent, ils sont spoliés. Hein. Je dis spoliés, même traités d'une manière inhumaine. Parfois. Ils sont spoliés par qui Spoliés par les, les, les, comment dirais-je, aux frontières par les, les FDS. De tous les pays, hein, pas seulement d'un seul pays. De tous les pays, de leur pays même de départ jusqu'à leur arrivée à ils sont expoliés à chaque point de contrôle. Alors, est-ce qu'en dehors de, de, de, de, ce problème que vous venez de soulever, est-ce qu'il y a d'autres questions euh, de, droits qui sont bafouées Effectivement, on a trouvé des cas euh, encore plus blessants que ça, parce que c'est des mineurs, des petites filles mineures, qui ont été euh, comment dirais-je, euh, kidnappé, disons, par, par, par, par une, une, une, grande personne pour les euh, soumettre à une prostitution. Heureusement, il y a une qui a pu s'échapper et qui est venue dire ça parce qu'il y a une organisation là-bas qui s'occupe des réfugiés. Et c'est en ce temps-là que, effectivement, les mêmes forces de l'ordre, parce que c'est leur rôle encore, ils sont partis vraiment assaillir la maison là et puis, puis enlever les autres. Alors, parlons cette fois-ci de, la conférence de la communication qui a eu lieu sur euh, les, serveuses, euh, notamment l'exemple du Burkina qui a été donné où des filles ivoiriennes euh, viennent là-bas pour jouer le rôle de serveuse dans les bars et on avait soulevé un certain nombre de questions, de, problèmes de droit à ce niveau. Dites-nous, on, constate qu'il y a un problème de législation en la matière. Moi, je me suis vu vraiment choqué en tant que fonctionnaire de la commission nationale des droits humains, euh, d'entendre ce qui se passait vraiment euh, et, qui se passe d'ailleurs parce que c'est pas fini, euh, ça continue au, Burkina concernant les serveuses, des serveuses qui viennent d'un de, pays voisin et qui on les utilise uniquement six mois, on les change comme si ça c'est la traite, nous on l'appelle ça la traite. Hein. Alors pour nous la traite, on pensait que ça a été aboli depuis longtemps. Donc euh, c'est pourquoi j'ai maintenu. Vous avez, si vous n'êtes pas là, les autres sont là, ils ont ma, ma position. Moi, j'ai vu que le traitement était trop inhumain et dégradant. À chaque six mois, il est dit qu'on les change pour euh, amener d'autres. Donc euh, ce n'est pas une question d'adhésion du contrat comme disait non, c'est pas parce qu'on s'est adhéré à un contrat qu'on s'adhère à des clauses exorbitantes comme ça. Est-ce que vous pensez qu'il y a, lieu qu'il a lieu de légiférer pour la protection des migrants Effectivement, c'est ce qu'il faudrait faire. Surtout dans notre espace, il y a même des textes, il suffit de les appliquer. en principe, chaque pays, je crois, a vraiment euh, une inspection de travail. Et l'inspection de travail, son rôle, c'est vraiment d'organiser. Les textes sont là. Euh, en tout cas, au Niger, il y des cas comme ça, franchement, pourquoi je vous ai parlé de, la quasi-juridictionnalité de notre commission Nous, nous recevons des plaintes des cas comme ça, vraiment, nous les traitons avec sérénité. Lorsque la question n'est pas pendante devant une juridiction. Parce que voilà l'exception de la commission. Si une question est pendante devant une juridiction, elle ne va pas en connaître. Elle doit laisser jusqu'à la fin euh, du traitement judiciaire. Vous venez de suivre Kondo Adamo, directeur central chargé de promotion de droits civils et politiques à la Commission nationale des droits de l'homme. Je le disais en début de ce forum, la région d'Agadez accueille également un colloque international sur la migration avec comme thème Dynamique migratoire en Afrique de l'Ouest, histoire, flux et enjeux actuels. Plusieurs éminents professeurs et enseignants-chercheurs d'université venus de la France, du Brésil et d'autres pays d'Afrique de l'Ouest sont présents. Moukel Aruna, enseignant-chercheur à l'université Moumouni Diofo de Niamey, fait partie des conférenciers. Il insiste sur les enjeux économiques, environnementaux et politiques de la migration. Il est au micro de Moussa Maman, notre correspondant à Agadez ma contribution va porter essentiellement sur les enjeux des migrations euh, pour, euh, en Afrique de l'Ouest euh, je vais insister sur, euh, sur les enjeux économiques, sur les enjeux politiques, sur les enjeux sécuritaires, sur les enjeux environnementaux, sur les enjeux démographiques. Vous savez que euh, les migrations au niveau de l'Afrique de l'Ouest, je ne veux pas rappeler l'histoire ici, mais on peut remonter à l'Homo erectus qui est parti peupler les autres continents du monde en partant de l'Afrique. mais je, je, je m'en tiendrai simplement à une lecture des migrations telles que nous les observons aujourd'hui, les dynamiques migratoires en Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Ouest qui est euh, la principale région d'accueil euh, des migrants sur le continent africain, qui est une région d'intense mobilité de population, qui, dont la mobilité fait partie des réalités historiques, humaines, euh, notamment on se souvient de tout euh, de tous ces flux de commerce transaharien qu'il y a eu pendant la période précoloniale. On, on, se souvient également euh, de pendant la période coloniale de tous ces systèmes migratoires qui ont été construits euh, autour des pôles des pôles d'accueil que sont les colonies dans lesquelles le, colonisateur a développé une économie de plantation et les mines, notamment la Gold Coast, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, et puis des migrations au départ de l'interland euh, sahéliens, notamment à partir du Niger, à partir euh, du, Mali, du Burkina Faso, qui ont été les principaux pays pourvoyeurs de migrants. Et, donc, euh, les enjeux, ces, migrations, c'est un certain nombre d'enjeux. Vous savez qu'au Niger, ces migrations jouent un rôle économique important dans l'économie des exploitations familiales, puisque ça procure des ressources pour tous ceux qui sont engagés dans ces mouvements qui, qui sont des mouvements majoritairement circulaires, c'est-à-dire qu'on on va en Côte d'Ivoire, on va en Algérie, on va en Libye. Euh, pour un certain nombre de mois, peut-être un an, deux ans, trois ans, on revient. Et cela permet d'avoir des ressources pour souvenir aux besoins de la famille sur le plan alimentaire, sur le plan de l'habillement, sur le plan de l'éducation, de la santé. Et euh, on sait que depuis un certain nombre d'années, depuis 2000, euh, avec euh, l'évolution de ces dynamiques migratoires, on constate que de plus en plus, nous avons une évolution des modalités de gestion de ces migrations, euh, où nous avons une injonction de l'Union européenne notamment par rapport à la gestion de ces migrations, où les pays comme le Niger euh, sont appelés à constituer un rideau de filtrage des migrants, notamment en direction de l'Algérie et de la Libye dans, le, dans les actions de lutte contre euh, la, migration irrégulière vers l'Europe. Et vous savez aussi que euh, l'essentiel de ces migrations qui sont dirigées vers le nord du Niger sont le fait d'abord des Sahéliens, et des Sahéliens qui vont en Algérie, en Libye et qui ont toujours été dans ces pays depuis les années 50, depuis la période coloniale. Donc les politiques qui sont mises en œuvre notamment au Niger à travers la loi 2015 euh, sur la lutte contre le trafic des migrants, l'ordonnance 2010 sur la lutte contre les traites des personnes et puis tout un tas de dispositifs aujourd'hui qui sont mis en place sous l'instigation de l'Union européenne dans nos États pour contenir la migration subsaharienne constituent une entrave à la libre circulation des personnes parce que vous savez que nous sommes dans un espace de libre circulation, la CDAO, qui a été consacrée depuis 1979. On, remarque d'ailleurs que au niveau de cet espace communautaire, notamment la CDAO, que nous avons de plus en plus un glissement une orientation, un changement d'orientation où euh, on met de côté de plus en plus la libre circulation des personnes pour, euh, pour satisfaire euh, les intérêts de l'Union européenne, par rapport au contrôle des frontières, par rapport à la gestion sécuritaire de la migration, sous prétexte qu'il y a des liens qui sont euh, établis entre la migration et les problèmes de sécurité, euh, sous prétexte qu'il y a des liens qui sont établis entre la migration et le trafic, la migration et la sécurité. Euh, sous prétexte également qu'il y a un certain nombre que les gens qui vont euh, les Africains qui vont en Afrique du Nord, ils continuent vers l'Europe, ce qui est faux, ce qui est archi faux. Euh, toutes les informations montrent quand même, toutes les données qui sont disponibles montrent que c'est une infime partie euh, des gens qui vont, des, des ressortissants des pays d'Afrique subsaharienne qui vont au niveau de l'Afrique du Nord, qui continuent au niveau de l'Europe. Alors si on regarde même les statistiques qui sont données par l'OCDE, le nombre de, migrants internationaux qui résident dans les pays de l'Organisation de coopération pour le développement économique, sur les 100 millions de migrants, euh, vous avez à peine 10,5 euh, millions qui sont ressortissants d'Afrique subsaharienne, dont la majorité sont des ressortissants des pays d'Afrique du Nord. Vous venez de suivre Monkel Aruna, enseignant-chercheur à l'université Moumouni Diofo de Niamey, propos recueillis par notre correspondant agadez Moussa Maman. Et c'est ici que s'achève le forum du studio Kalangou de ce soir. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain, même heure et sur les mêmes fréquences à travers le Niger. Bonsoir.